Le sous-préfet moo woote réunion le 27 décembre 2023 réunion ba nag yëg ni sous-préfet nga fa woon maire nga fa woon agent hydraulique ma nga fa woon ni aussi ne xaalis bi am ay partage ñi ko séddoo nag sous-préfet ñamu convoqué réunion convoqué wul population bi ay nit ñu ko neex ak ñi yoroon forage bi ñoom la convoqué conseiller woowul conseil ba muy woote réunion bi muy woote dugalul forage yëpp benn yoon ci benn salle dafa jàpp forage par forage dénoncement bi nag mooy xaalis bi nit ñi dañ koo soxla réseau mënoon nañ ko def branchement sociaux wala ñu def ko excitention ay tiwo l'essentiel mooy xaalis ba dañu ko soxla. yëpp ñu convertir ndax yëpp commune u Ngën la Bangaaj la ak Sancu Jajj Sancu Jajj Jajj gu mag ak bu Ngën Sarr. te xaalis ba yëpp la ñu laal. 35 millions environ 35 millions environ. rapport bi rapport bi am na mbay ba conseiller. soxla ko waaye bin ko ko waxee dañ ki ko yor du la ko jox mukk ci àdduna un million ci ngën un million cinq jajji cinq cent mille ca bangaaj moom lay jéem a naan jaay ko ba pare naan seen six millions nga fi trois millions ak six millions nag neuf millions ndax nee na am ko laaj mu jox te jajji rek onze millions et poussière la fa jël kon maire ñu koy woo mook su ni tappale baaxul rawatina ci ay baadoole boo ko séqoo ñoom dag yërëm topp ko xanaa ba ba am ci lu ba ba yoon Vous faites que nous ko des logis, des des fonds décaissés de manière nubuleuse dans des différentes caisses dont celles de Djadj, de Bangadj et de Ngensar. Des montants qui tournent aux environs de 35 millions. Des montants qui pourraient soulager les populations à plus d'un titre par des extensions, des, des branchements sociaux. Le sous-préfet n'a pas trouvé mieux que de je dirais, convoquer en catimini des réunions durant des heures pas du tout soupçonnées, des comités qui, ont, été reçus dans des salles différentes pour procéder à un partage. Et que, comme celui de, de Leona a fait l'objet de partage avec un montant de 2,5 millions au bénéfice du sous-préfet, qui a eu la bonne idée de retourner les fonds pour Ngensar, on parle d'un million pour lui et d'un million pour le maire et d'autres montants. Pour Djagi également. Quand il a été interrogé sur ces faits, le maire qui ne dit pas qu'il n'a pas reçu ses fonds, mais essaie de se justifier en disant qu'il n'a reçu que les 3 millions. Alors que pour ces 3 millions, il a construit un bassin à Afé, il a acheté un climatiseur il a payé un moulin. Des choses ô combien importante. Le maire s'est très mal comporté. En, lieu place de sauvegarder les intérêts des populations de la commune de Ngensar, il n'a pas trouvé mieux que de trouver une cachette, je dirais, entre, euh, entre les mains de, la, sous-préfet pour procéder à un partage et voler, je dirais, parce que c'est ça le terme. pourquoi, après avoir procédé à un partage, vous, refusez de donner les détails mm-hmm. Les populations ont besoin de savoir pour, euh, pour leur argent, pour une bonne fois. man mën naa leen sax a porter plainte pour diffamation parce que man fonds yooyu ma jox delloon na ci commune léegi boo xoolee li nga xam jëm nañ ci askan wi lépp mi ngi toll ci 11 millions maire moomu ko mais mairie moo ko moom bi ñu ko joxee mairie extension rek prévoir nañ ci 6 millions donc quatre millions cinq pour le forage de Diadji deux millions cinq pour le forage de Ngensar jënd naa ci ab climatiseur

avons formé un comité local sans papier pour contrecarrer les actions du maire et des opposants même nekk ba politique politique c'est pour éclaircir certaines informations mal interprétées euh, par le comité local illégal de Gemsar qui est là créé pour freiner les actions du maire ça ne passera pas c'est pas la période de dénigrer les gens de façon illégale je dois même les porter plainte parce que ce sont des diffamateurs la mairie avait reçu 3 millions. Les 3 millions ont été dépensés comme suit. J'ai acheté une machine moulin pour le village de Ganar qui faisait partie du forage de Djadj. Le coût du moulin s'élève à 2 millions. J'ai la facture en poche. Le climatiseur, j'ai la facture en poche. Euh, le bassin, j'ai la facture en poche. Maintenant, les 3 millions il reste 325 000 francs créanciers qu'il dépose une plainte au tribunal. Il répondre et de façon très acerbe. Le préfet a tenu une réunion, il a fait son devoir, il a convoqué l'hydraulique, il a convoqué le maire. C'est tout. On ne va pas convoquer des gens qui dormaient dans leur maison.